You nag ñu ñàkk fayda ba ñu def keneen dégg and dañu ko seetaan bind Nous ko wax ko doxal dañu porter plainte après avoir fait le bilan ce bilan en bonne et due forme porte plainte et nous ko partout parce que c'est extrêmement grave extrêmement grave mais man pas kilifa SAES mais dama sais que Fall et même chose li ma wax loolu wax parce que lool moy deug lool moy deug loolu règle la man ne mënu parce que man doonu ma UG16 mais su ma doon 16 il est évident que man évidemment <laughs> de de de même bala balaa ma fi ex sa fekk na déjà saisir saisir na ki bu yag euh, ki nu mu tudd suñu avocat maître maître Assane Dioma Ndiaye mooy avocat CS du dëgg mais avant ça pour être dans les règles ñun gis nañ ko xam nañ né notre camarade notre collègue il est mal en point à vue d'œil

kii wax naa ak man xam-xam na ne moom meloon ne xam na ne moom meloon dama mel gaynde bu daanu gangir parce que c'est c'est non c'est d'une violence et d'une bassesse incroyable parce que ñooñu ko ko saaga mu saaga waat su ñom ñaar rek man xam naa Babacar du du du du demee du demee noonu pourquoi il appelle d'autres pour ñu sottee nit am quelqu'un qu'on a déjà enfermé ngay wo encore nit pour ñu sotti ko yow jaam nga ñiko def si ay jaam lañu mën naa ko wax. c'est des lâches dégg nga je le dis c'est des lâches ah ngay sàggan day nit mu fayu ngay woon ni pour ñu dimbale xeexal moom sori gi jaral na la ko njàkk nga fay ba sàggan dende alors c'est des lâches je le dis et je le maintiens te combat bi nañ ko dañ ko mënee jusqu'au bout wax naa ko suma ba by any means necessary foofu laay jeexalee nag moo wax leneen aussi lu gars yi jëlu tenir compte mooy est-ce que imaginer nga bi ñu leen ki ba léegi kenn jàngale wul université Donc, est-ce que cumul, le cumul, aussi, le cumul des heures perdues par, les étudiants. Parce que quelqu'un on l'a assumé. on n'en fait pas un esprit. Comme disait l'autre, on n'en fait pas ça. Donc, nous devons Parce que nous devons le faire. Et dernièrement, une autorité recevoir dans un autre cadre. Dengue, je lui ai dit la même chose. Il s'agit du docteur Chakanté pour ne pas le cacher. Dengue, parce que moi, je suis aussi le président de l'éducation nationale, éducation pour tous. Donc, dans le cadre des facilitations pour le suivi des accords des autres ordres d'enseignement, mon mot coordonné le docteur Chakante. Il nous avait appelé il y a huit jours pour nous demander l'éducation, plus aussi la situation sociale. Et je l'ai même félicité de nous avoir interpellé pour, sur ça aussi. C'est ça que je lui ai dit. Les médecins universitaires, on ne l'enferme pas on ne peut pas affirmer un esprit. Autant le gouvernement peut avoir des paramètres on ne maîtrise pas pour ajuster ou non. Autant le peuple aussi a le droit de résister. C'est comme un équilibre chimique. Le gouvernement va dans un sens pour une réaction, le peuple va dans l'autre sens. Et à un moment donné, il faut trouver un équilibre, un équilibre dynamique. Mais il ne s'agit pas d'essayer de bloquer l'équipe. Parce que c'est la loi de l'échatelier qui s'applique. Ça dit que les populations vont réagir plus violemment que ça. Et c'est ça la vérité. Donc le président Macky doit revenir à la raison. Il doit revenir à la raison. C'est la même chose pour les journalistes qui ont été violentés. On est en train d'être dans une dérive totalitaire et fasciste dans ce pays-là. Et c'est dangereux. Le président Macky Sall pas attention. pas attention qu'il n'écoute pas ces Cassandres-là qui était là, qui l'insultait il n'y a pas longtemps, hein, et qui aujourd'hui lui demande de mater le peuple. Macky Sall ne peut pas mater le peuple debout. Le, un tyran, il est fort seulement parce que les autres le restent faire. Aucun tyran n'est fort. Nous, on n'a jamais eu peur dans notre vie. Il faut nous voir. Nous avons Nous avons manifesté le 22 juin, le 23 juin, le 22 juin. Nous avons fait ça. On s'en fout parce que dañuy mené suñ koy def si duñ ko duñ ñu ko man wóor mi ngay dem tayulo sa na nga dem parce que nga wara dem da nga war dem lolu ñu xamul ça rend pas compte que y a des choses yo xamné un une université wala góor sa du war a wanoo ko nangu dégg mais bu kaay ñu arrêté len yéen parce que xam nañ ne am lu ngeen di représenté ah hein? te c'est l'occasion de demander la libération de Guy Marius Sagna on peut pas aussi vous vous vous vous mettre là-bas aux arrêts pour des raisons fallacieuses mais pour les mêmes en tout cas toutes choses égales par comme on dit, on vous libère, on libère. Nous, on est fiers parce qu'en tant qu'université, notre combat, c'était ça, qu'on n'enferme pas un universitaire. Mais. Mhm. Voilà, donc il faut, on ne peut pas accepter qu'on garde d'autres pour les mêmes raisons, parce qu'on a libéré. C'est vrai, on a, on a libéré, on en est fiers. Hein, parce que notre collègue, nous, quand on s'est débattu, on s'est battu pour notre collègue aussi, il faut dire la vérité. C'est ça, parce qu'on ne peut pas accepter cela. Mais pour autant, nous nous battons pour la liberté de tout le monde. Et le congrès, le congrès l'avant-dernier congrès, d'ailleurs, le 16 l'a écrit, que le 16 doit de plus en plus maintenant se prononcer pour les libertés et toutes les questions démocratiques qui interpellent et qui intéressent le peuple, sur le peuple qui, qui souffre laborieusement dans ce pays-là.